Yeah. Merci le wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki jàkkaarloo nañ ñu seetaan ñoo ngi amaan mbégte ànd ak yéen ci ñaareelu journée bi nga xamante ne bii euh, comité d' organisation bu Magalu tuba ci njiitul Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke porte parole xalif général kullu murid amal nañ ko fii ci dëkk bi di euh, Gabon xam ngeen ne bokk yi euh, démb ci àjjuma ji ña nga woon Libreville tey jii nag xëyee nañ Libreville jëm si ci dëkk bi nga xam ne moo di Lambaréné ku ne nattable wut ne Serigne Touba ci dëkk bii daj na fi loo xamante ne bii eh, ginnaaw bu ko fi rakkam ju baax ja fekkee Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh Anta ànd ak taalibeem bu mag ba Alhaji Mu Njaay Jóob Serigne Touba def na fi lu toll ci at wala ñaari at yu tegal tuuti loolu nag bu ñu ci bëggee am leeral incha allahu rabi ci kanam tuuti danañ ànd ak Serigne Fallou Boussa Tamba seen bokkam taalibe Fallou Galasil la fii ci eh, Lambaréné ànd ak comité d'organisation bu Magalu Touba ñu bàyyi leen ak seriñ Serigne bu sa Tamba. fii ñu nekk di Lambaréné dafa am solo lool ci. Euh, ci état yi nga xam ne mooy état bi yoonu Serigne Touba yi mu tukki si woon fii ci géej gi ndax ni ngeen ko xamee sëriñ <clears throat> bi bi mu wàccee Gabon Libreville la bàyyi la la la njëkk tànkam def fa diir boo xam ne yàggul lool matul xam naa ñetti weer wala xëy na du ko ëpp ñu jële ko fa yóbbu ko Mayumba euh, mu def fa juróomi at yoo xam ne dafa wax ne juróomi at yooyu euh, la ma fa daj ci ay nattu ak i balaa metti na lool ndax fa la ma suñu borom wone sama ay bi jëm sama ay bi bop bama gis ko mu label ma ci bama set wetch bama muju nek di abdullah jamu yàlla bu mbok la kenn waye di khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam di liggey katu yonent bi nga xamne mo gëna mag euh suñu borom def ko fe itam muy khalilullah di habibullah manam khalitu bi yàlla soppe bi yàlla bam fa defé juromi at yoy nak nga xamne neena muju na melni ab jant te te bu waxe mel jant moy jant kuko wax wax lu kawe tim ñëpp wax lu amal njariñ ñëpp wax lu tasaaroo nekk fépp noonu jant mel nga xam ne mi ngi fépp amal njariñ ñëpp tiim ñëpp sëriñ bi nee na ci maayomba googee fa la fa la ma suñu boroom defee ma niru jant ci noonu ma ko waxee waaye ba mu fa defee juróomi at itam tubaab bi ci ginnaaw dogalu yàlla suñu borom xiir leen ci ñu indi ko fii fi na ngir mu war fee jeexal juróom-ñetti at yu manqué yi nga xam ne moom la diggante woon ak boroomam ngir war koo liggéeyal yàlla fii ci géej gi bi mu ñëwee fi fii ñu nekk tay wax nañ ni fi la defon mbaram fi la nekkon itam fi la daan liggéeyal yàlla di fi jaamu yàlla di fi tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam admi mu xaj ko ñaari xaj juróom benn weer yi mu jaglal ko tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam juróom benn weer yi ci des mu jaglal ko julli ci mustafa sallallahu alayhi wasallam mubarak wax ne salatu sitta bi madaxi sitta taatihi batta maati sa'i waye fi lu nekk dañ na ko fi serigne bi lu nekk dañ na ko fii ci coono ndax bi muy nettali histoire géej gi ci ci téeram boobu mu tudde jazaau shakur al atuf fii jawaabi abdul latif ba agsi fii fi lambarana dafa ne bi ma jógee Mayumba daxaltu fi jaziratin bi taab lam yakun asqala minhu gayru xuruji ruuxi ba ma fa ba ma fa jógee dañ maa yóbbu ci beneen dun boo xam ne daj naa fa ci coono ak natt loo xam ne lenn rek ca la àggut ca laa àggut te mooy ruugi génn ci yaram bi waaye lu dul ruugi génn maanaam génn àddina lu lolu ci coono ak nattu dañ ñako ko fa moo tax bu tuddé dëkk bi te dëkk bi muy lambarna du ko tuddu du tuddu jëmi lambarna ji ñaar lu ci ëpp xeet wi fi nek muy meene galway yi ñoom la sëriñ bi di di di di faral di di tudd ci ay mbindam lu mel lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana nii amma yajurru lbalwa lu mel ne chaqa ala alcheytaani inda galwa كوني خديمة من كفاني البلوى وانا كل بري بري بري وانا في في خيط قلواي في تي لامبرنا فلا اجيتي يالا يالا بودون دك بو خامن دا نيي دوخ دي فجم مو نيك مو يكون دوخ بيم دون دوخ ندخ دوخ بي دوخ باتين لون دغ لا ظاهر لون جوغي نا مباك باري جار سي اي دك با اكسي في واي نك موم دوخ باتين بي لا غنونا غيس موتاخ بات بات يم دان جيفنديكو صاح li ci ëpp mooy baatub as sayru wala al masir wala ay mustaqatam yi nga xam ne dañ ko xare ci yooyu nga xam ne doxu biir lay doon mais du nekk doxu baat moo tax asiru ma am bi mu ne asiru ma al abrari حين أسير وظن العداء أني هناك أسير نيت أسير يوم أندي يب بيكو تي غن ييتال موم موي أسير جو نجاكي موي أسير مع الأبرار موي دوخ بيمي دوخ تي بير الشيخ أحمد البشير ديكو مثال تي مينن با وخني باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب سوي خول تي بي تي كاو داغي داغي غيس دو غيس دول اي تيونو دو غيس دول اي نات دو غيس دول اك تومرانكي اك ويتاي ak ay non yu koy fitnal waye bo xolé ci bir nak mom serigne bi mom li mu bëggoon li mu ne woon siiw te mënu ko woon am te mooy wéet ba mën a jaamu yàlla na mu ko bëggee wéet ba mën a liggéeyal Rasulullah sallallahu mu ko bëggee wéet ba mën a fàggu fii ci àll bi loo xam ne bu ñibbee ci lay mën a taxawu njabootam mën leen ramu ci àddina ak alaxira ba mu ba mu ba mu fi nekkee noon yi teg ko fi lu lu lu nekk ci ci coono ndax xëy na am na loo xam ne fi jamono toll léegi du may ñu di ci àgg waaye eh, li ma wax léegi ne lëkkale gi muy lëkkale galwaa ak balwaa rek wane na lim fi daj coono. ñaare fu waxe galwaa rek ci xaju beyit bu njëkk wi su koy jéxal ci xaju bayitu ñaarel wa balwa lay wax jàng na ñaari beyit yi léegi te am yeneen beyit yu mel nonu lillahi qad wasaltu inda galwa wasaanani amma yajru al balwa shaqa ala shaytan inda galwa kawni khadima man kafani al balwa kon balwa gi da koy lekkeli ak galwa gi tay defena rimina lolitam na set ab tok na fi neena ben bis ñu joxe misaal rek ci yenn ci yooyu mu nga xam ne faag suñu borom teg na ko fi ci nattu ndax nattu yi ñaari xeet la nattu yu ko yàlla doon teg muy ay tawat ay yaram yu yu yoo xam ne dafay sutaate léeg-léeg eh, nga xam ne dana dem ba àgg ci jamono boo xam ne jóg jël xalimaam bind sax du ko man nettali na ci loo xam ne suñ suñ ma Lamin Jub Dagana wax na ko ci irwa benn bis nee na xëy naa bëgg a bind bëgg tag rasulullah sama yaram dis lool ma jéem-jéem mënuma nee ma Euh, biir tubaab yi koo xam ne mi ngi mi ngi xaqtaay di ree ma ne suñu borom kooku di xaqtaay di ree day ak ku mën a doon donte kilifa la sax euh, sab jaama ni ma nekke sab jaam nga digal ko digal ma mu mooy la man ma nongul la euh, yaa ngi nii nag teg ma loo xam ne gàllankoor na sama liggéey ba mënumaa jóg liggéeyal la ma bëgg nag nga teggil ma li ma dal teg ko ko ba ma ba nga xam ne danaa mën a woyof ba mën a jóg liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na fi sama kàddu yi daanoo rek ma dégg tubaab boobu di onk onk yu méttee métti nga xam ne léeg-léeg muy tudd ci ay ci ay xasidaam baatub aniin googu nga nga xam ne mooy tekki onk di wax ne yàlla fegal na ko ko lu ci ëpp mën naa am loolu lay junj toog na fi itam ci nattu yi nga xam ne dafay bàyyi ko ci tubaab bi di jëm si ci moom tubaab bi booba dañoo tànn béréb bi tànn climat bi niñ ko tànne woon ci ba ci maanaam climat bu humide rutuba am fi euh, di taw waxtu nekk fii octobre ba juin parce que mën nga xam ne day taw daanaka du du du taw euh, ndox dex gi dexu Ogooué gi nga xam ne ni ma ko waxee léegi moo séddale daanaka dëkk bi def ko ñetti xaaj rive gauche bi ak rive droite bi ak île de Lambaréné bi ñi xam histoire dëkk bi xam nañ loolu. waaye waxtu waxtu toog na fii benn bis taw taw bu bari fekk fi fii nekk bi taw bari muy guddi ànd ngelaw mu mu daa mbaar bi nga xam ne moom la fi defoon di fi di fi julli di fi jaam yàlla di fi tagg Rasulullah mu ah, jël bagage yi téere yi mu nga war a mën a dem làqu fa ngir mën a rawale téere yooyu ba du tooy fekk boobu am na benn rëbbkat bu daan ñëw fii di force li nga xam ne mooy cinquante francs yi ñu daan fay sëriñ bi mu comme comme kii comme pension par weer euh, sëñ bi biñ ko ko dajalee ba mu nekk lu xaw a takk tuuti xam ne histoire bi xam nañ ko du ci guddal kooku di ko force ba mujj mu tuxu si dëkk fii ci booru riib bi sëñ bi daan def bu bëggee waaj jàpp day bàyyi ko fii wàcc dem ci dex gi mango yooyu fa nekk ci suufu mango yi foofu laan jàppee bu noppee ñëw àggale dégg ay jaamu yàllam rëbb boobu këram la sëriñ bi dem ci guddi googu ñaan ko ne dama bëggoon nga may ma fu ma dugal sama téere yi ba du tooy ba suba mu ne ko ah, néeg bi day benn néeg rek la te maag sama soxnaa ci nekk li fi nekk mooy waañ wi soo ko mënee bale ba mu set nga bale ko te dugg foofu fanaan fi nee maa ko baleel sama bopp dugg fi jël téere yi teg ko ci kanamam toog jublu penku ba set bi mu xëyee war a ñëw ngir defar si mbaar mi waa ji ne kon nañ dem ma ànd ak yow maak sama soxna mu ne ko soxna si moom jërul muy dem waaye yow mën ngaa ñëw bi muy ñëwee fekk na ki nga xam ne moo doon contrôler sëriñ bi ndax am nañ ko koy jàppaleem déet gis na gis na ko mu dem kalaame ko commandant bi kër commandant bi mi ngi fii soriwut fii rek bu ñu génnee na dañ ko gis mu mu mu comma mu kalaame ko ak commandant bu mag bi kooku euh, jàpp nañ ko ci ba tëj ko ci fukki weer ak ñaar moom kooku nga xam ne moo doon jàppale Serigne Touba ci bi muy defar dégg nga maanaam fii nga xam ne moo di mbaaram mi yu bari xew na fi am na waxambaane Touba boo xam daana fekk fii sëñ bi di ko tuddee mal'un xam ne yàlla da koo rëbb soral ko yërmandeem nee na fekk fii di def ci man loo xam ne laa azkuruhu du ma ko tudd mukk ci àddina na benn bis ñëw na fekk ma may bind mu yor jaaseem ji ñëw di ma wër naan ma Ahmadou Bamba moytuma te xam ne man sama maam mooy ki daan rey wali yi fi daan ñëw tubaab bi bi muy indi Serigne tubaa sacrifié ko moo taxoon mu indi ko fi ndax Gabon deewukaay la woon kooku il faut ñu wax ko man jërul ñu ci am lenn luñ ci laq-laqal képp koo xam ne tubaab bi bëggoon na la faagaagal te du ci feeñ Gabon la lay indi bàyyi la ci climat bi bàyyi la ci goddu yi def naa am na hôpital bu nekk fi ñu ko wax ñu ñu ñu bu siiw ñu ko wax ne Albert Schweitzer hôpital boobu docteur Alma bi nga xam ne moom lañ ko tuddee bi mu fiy ñëw dafa ñëwoon pour faj si xeeti feebar yooyu nga xam ne moo daan dal nit ñi am na ay yooyu fi daan matt ay nit ay godd yoo xam ne ku ñu masaan a matt da ngay nelaw ba faatu ñoo nga xam ne moom ñu ñuy wax maanaam laa ma daal di dégg di di wala wala baan laa ma daal di ma di sommeil nga xam ne yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne xew na fi xew sëñ bi tubaab boobu ñëw nag di ko di ko di ko di ko di ko bàkku di maanaam di bàkku ci kanam naan ko moytu ma te nga xam ne man sama maam moo daan ray waliyu yi te man don na ko ci ray gogé nga xamné mom manam mo nekkon ci mom dal jambar ak fido néna sëñ bi néna mu bàyyi ko wax magal ma dal jël sama xalima gogu xalimaam gogu nga xamné néna non yi war nañ ko moytu ndax mo gëna ñaw ciongu ciongu xéj wala jass ju mëna don li yaxdari al a'da' satwa mirqami fa innahu ala al ka niqami néna ma joxoñ ko xalima gi néko yow it moytuma moytuma te xamné yow doo samaam joojee may itam duma ñoñé sama am jogé dan ray nee mu dal di tite daal di daw bi mu demee am lu ko dal ñu yedd ko mu dem ci ëllëg sa mu ñëw indi ab gàttam ak daam xam na ne soxla naa daaji mu ñëw defiru ko sama kanam ne ma du jóg mukkutee jaaroo ko sama kanam wala nga jégal ma sama kaw ba ma xam ne jégal nga ma ma soog jóg ne ma koy kii mu daal dem fekk maa ngi bind mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi taalif xasida mu daal di bind fa saasa alaana alaana lil laylata qalba dirtidaad min baadi ma jaa bi shaatin wa midaad nga xam yàlla nooyalal na ma ci guddik tey gii xolub ku murtat ku dëgër bopp ku réew koo xam ne dafa yëg boppam ni ko Abdoulaye Salim waxee ca way wa wa mu'tadin murtadin aswaaba izzatihi yaxtaalu bayna qubaayhi wa zannaari bi mu koy misaal di misaal wax baant waaw nga xam ne ku dëgër bopp la ku ku yëg boppam la kuy takk sentiram la ba mu ba mu dëgër solub kabam am mbooloo mu ne ci ginnaawam waaye nee na su bu ñëwee ci yow ba léewtoog yow yaa Cheikh al Xadim anzaltumuhu xadida dulli munkasiran nga ngeen nga nga wàcce ko ci ngësal toroxtaange gàcceel ko ba mu rus ba nga xam ne dana xam ne kii mi léewtool du moroomam kookee loolee xew-xew na fii mu sëñ bi dana ma daal di ma wax ne yàlla noo nooyalal na ma xolub tubaab boo xam ne dafa murtat ginnaaw bi nga xam ne ñëw na andil ma ab gàtt ak daa kon yooyu xew na fi ak yeneen yu bëree bëri sëñ bi itam taalib na fi ci ay xasida yu bëri liñ gën a jàpp rum naa sukuur allazi bil kaafi wa nuuni ci la bokk بيد وامي كتبت في البحر اني لا امد يدي الى النصارى عبيد الماء والطين امنا مناسبه امنا خيوخ بوم بوم بوم مانام دجال تي موي فكي درهم يي ما دون نيتلي بين كو دجالي فكي وير اك نيار موي 120 فران ني جابري داكوي خيب ني ديكو كو جوخ سي كيكو دون فايسي بيم نيو فك مو جولي تا تال اي لوخم دي نيان يالا خار بي ياغ مو انيرفي مو نكو مانام واخ كو نكو سيرين بي لي غي امو سولو لي مالاي انديل مو ام سولو باسكو لي مو يالا سيرين بي كو خامنا ني موم نوفيون لا لا ndax léeg-léeg ñu li xisse bobu am ñuko gisse ne waaw yéen da ngeen def wax ne sëñ Tuubaa mësta gañ kenn mësta dóor kenn lutax nak muy xañ nit bay bay génne deretam seigne bi dafa ne walastu lin nafsi lidareni antaqimu sama sama sama bakkan kessa duma ko fayul waye buñ laalé sama pass pass nak wala yàlla nak wala tawhid nak kooku nak moom mu jóg te man taxama rasulullah sallallahu alaihi wasallam xattu nafsihi ludul ñu xotti ormay l'islam neena bimu ko waxe lolu mu xamne laal na tawhidam mu daldi jël xaaliss bimu mu bobu ay ay ki lay doon ay ay pièces ngurdu bi mu sànni ko ko ba mu ba mu ba mu gaañu tubaab bi porte plainte fii ci njole Ndiolé fii defe naa ne léegi rek ñu ngi koy xool war na ma defe naa ay 127 kilomètres mook fii am na tribunal militaire bu fa nekkoon ñu convoqué sëriñ bi convoqué tubaab bi saa mori fa la ne woon fa la fa fa fa lañ ko denc. tubaab bi de bi muy dem di wuy ji ci diggante bi lañ ko enlevé xamuñu fu mu mujj ba tey sëñ moom baagante na Ndiolé dem ay ay ay yoon dem ak ñëw defena projet bu muju nil euh, lolu xewna fi suñ bind ci qasida gogu wax ne ci geej gi la bind ne duma talal mukk samay loxo jeme ko ci nasran yi nga xamne ay jami ndox lañ ak ak ak ak ban كتبت في البحر اني لا امد يدي الى النصارى عبيد الماء والطين رمنا قصد لا خاني بو بغي خام لم في داج تي تيونو ليكو نون يتك لب دنج كوي جان ولا خد كرمنا ايتام في لاكو بيندي تي جاب نني بوكنا تي يمجو داخ تي لاي جيهخله بيم ديمي باغا خامني ليغي بي جيهخنا suñu borom woon ko ne ko li taxoon ma la andi la fi mooy bokk na ci yar la ak yéege la taxaliya la ak taxaliya la léegi mat dama léegi nag mën nga waaj dellu ci réew ma mu daan mu daan suñu borom rabbaytani rabbi fi l aadaai muhtariban xata rujuaya lil awtaani qad xaana suñu borom yar nga ma ci géej gi ci biir noon yi ba ba ba ni nga bëgg ma mel ni mel naa ni sama njaboot itam mooy ñu mucc ëllëg mucc fii mucc ëllëg itam may nga ma kon nag maa ngi ñaan sama dellu gi may dellu ci sama réew na nek suñu taxé ñun ñëpp adina ak alakhira te su ëllëgë yomal xiyam buñu gis sawara ij'al ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi nirana kon defena ne loolu ci xew-xew yi fi yi fi am yu tuuti la ci yu bari bind yi ci mëna jàngé jàngee it bari na bokku na ci muñëm gu targa tawxiitam ja ak ngëmëm ga ak jomam ja ak pastefam ju rëy ja ak yene gëm yene won ñëpp am jàmm ñëpp am nja ak ak ak ak jariñu àddina ak àllaaxira loole ci géej gi la ko liggéeyee tey Lambaréné gi am na ci taxawaay bu rëy bu mu ci taxawee ndax nee na fi la sama liggéey mate fi laa àgge ci yàlla bi mu jeexee la waaj dellu ci réew ma dellu gi nekk tex ak ñëpp ma waral suñu kilifa yu baax yi ñu ngi leen ñaan yàlla yàggal leen fi loolu te leen wér ñu am xalaatu màggal googu nga xam ne fii mooy cosaan li fi la fi la sosoo ndax su dobo nga woon màggal gi du am ñu ne kon nañu ñëw waajale màggal gi fii te jàpp naa ne sax euh, xëy na gabon dafa mujj rek waaye mujjug ngëneel la waaye du mujjug yeexe nde moom xëy na moo waroon a njëkk waaye loolu lépp ndax fi la lépp ci saanoo mooy mooy moo waral màggal gi ñu ne kon nañ ñëw waajale ko fii xeeñtu jéegoy Sëñ Tuubaa yooyu sant yàlla nag bu baax nag euh, xoolaati nam nag xéewal yi ñu Sëñ Tuubaa fàggul ndax ñu ñi kenn ku ci ñun ci ñun bi bi ngay ñëw dangaa dugg ci ay ay ay dégg nga maanaam ay oto yu baax yu bakkane wàcc fi waaye ñu xool moom bi muy ñëw fii man jël naa bato jógee Port-Gentil wàcc Lambaréné gii maanaam ci 2000 ci te loolu as as ngaal la xawatum raake tuuti waaye moom nga xool bi mu fiy ñëw téeméeri at ak ñaar fukk ci ginnaaw nekk ci biiri noonam kenn ku ne amoon ci moom yéene yi mu jóge fi najawtu min fitanil aadaai id qasaduuni bil madafia turran wa sakakini loolu dafa leer min ngi ci naa mucc naa ci fitna yi noon yi waxtu wi nga xam ne ñoom ñëpp jóg nañ jublu si ma yor seeni euh, paaka ak seen i kano muy seen arme conventionnelle yooyu nga xam ne moom lañ doon jaamaarloog moom te moom ay kanoom di alquran ak hadis ak xam-xam inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa loola ci la dem ba gagné gagné loo xam ne tey jii ñun ñëpp gis nañ ndam li gis nañ victoire bi ci lañ ñoo ngi tabbi ci biir kon suñ kilifa yu baax yi tàmbali Cheikh Amadou Bachir ak maamagam yu baax Cheikh Abdou Samad ñoom ak ñi ñu àndal ñëpp njabootu Sëñ Tuubaa gi taalibe yi yi yàlla yàlla may leen wér yàlla taxawu len di sàmm len yagal fi Seydil Muxtaar mi nga xamne mo moo yore caabi bu kër Sëñ touba moom itam li mu ki liggéeyal Sëñ touba mu agale ko te yàlla may ñu li sëriñ bi fàggu fi suñu jéego yi mu tibbal ñu ci lo xamne nak kenn ku ne bo fi joge da nga xamne la nga la nga doon wuti lambarana ak ma ak Mayumba ak ak liverville te nga ci sebet bu wéré wér ci yokku ci àddina ak allah ndax neena kat lima jele ci géej ji bokku na ci an nafu daimu wal barakatu shamilatu ah mm, mm, eh, am am am na yum tudd yoo xam ne ci ci ci ci xarafi arnabun arnabun muy al ijabatu war ridwan war nafon wal baraka nee na ñeent yooyu ci géej gi laa ko jëlee. casa jaa ndar na lu fi sëñ Tuubaa dajoon lu fi sëriñ bi dajoon sa ngóorug tey gi fay na ko keroog ba sa maam di ñëw fii gisul ku dama ni mu ni ha waaye xool tey dañ la escorté tar presse bi oto yi jiitu seren bi jooy sandarma yi escorté la ñu bi nga dugg maire bi jox la fii nga añ génn jàkkaarloog nit ñi yàlla fay na sëñ Tuubaa Mbakke loolu nag sa maam sa sa mag ju baax ja Cheikh Sidil Maxtaar borom Ngànn borom Xelkom borom Guy Mbind borom Mbàkke Kajoor Cheikh Sidil Maxtaar yàlla fi yàgg te wér lii nag ci ayam laa ne xam naa la magam ju baax ja Cheikh Madou Lamine Baara junjoon ci yow ak Serigne Saliou bi Cheikh Sidil Maxtaar ñëwee yeggale na ko waaye sa mag yi yéene nañ la lii moo tax ñu ngi daral ñëpp dañ koy jox di sant ñëpp di gërëm ñëpp alaaji Kase loolu moo doon li ma ubbee presse Sénégal bi yëpp itam bàyyiwuñu génn kër waaye sëriñ bi sa doom sa jarbaat ku lay jàppale ci liggéey bi la sëriñ Touba di jox di Cheikh Abdou Mbacké mu ngi koy defaat na Cheikh Moustapha mi ci seen projet Touba collectif yi formation jumaa ji ba ma ñeenti cordon yi jëlee sëriñ Bamba Ndiaye bi indi ko ci biir moo neex mu dula mi ma ci wilaay ko doy ga jàppale na la lool moom nga yebaloon Gabon mu ñëw fekk si sëñ Baraka ak daayira yi kenn desul sëñ Fallou Boussa ak ñëpp mu ànd ak ñoom tey ba lii am kon sëñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma jërëjëf Mbacké ñu ngi lay sant. wax ji rafet na mel na ni liñ ci mën a teg du bari liñ ciy teg nag mooy dafa am loo xam ne lii. dafa wóorul dama wax ni sëñ Touba ñu ngi ko fi indiwoon woon en mille huit cent kon bu sëñ Touba delseetee tey en deux mille quinze di ñëwaat làmbare ne dama ni wuute loolu wóorul ca mooy suñu bisu tey bii amuñu benn nattable ne sëñ Touba moo toog sëñ bi dañ lay ñaanal sa fan wi yàlla gudd yàlla na fi yàgg sëñ Sidi martas yàlla fi yàgg ca wér Mbàkke ñun murit amuñu sa fay yaag sëñ Muntaxa Mbàkke mu baax ndax da ngeen ñoo jàngalaat taalibe da ngeen ñoo wanaat yoonu taalibe kon sëñ bi jàppale bi ngay jàppale sëñ Sidi Mokhtar bépp àddina wër wër na murit yëpp jullit yëpp xam nañ ko yàlla nga yàgg fi wetam ca fu mu gestu gis la Mbàkke tey jii waa làmbare na ñoo lay dabal daa dalal tey yàgg ñi nga àndal làmbare na nag du ñu sori ci waxam man li ma ci wax mooy Fille la Touba de làmbee yàlla ba daj ko fi fii kon Mbàkke bo fi tay lolu la la ci ñun yalla nang fi yag lolu du ma noppee di ko conseiller du président de la République son excellence Macky Sall du Sénégal monsieur le préfet du département de Logoué et de Lac représenté ici par monsieur le secrétaire général. Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Monsieur le porte-parole du calife général des Mourides, honorable dignitaire de la communauté mouride, messieurs, mesdames les chefs de quartier, mesdames et messieurs en vos grades et qualités respectives, distingués invités, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, au moment où nous vous accueillons dans notre cité historique de Lambaréné, il nous plaît de vous souhaiter à vous, ainsi qu'à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale bienvenue. Depuis toujours, Monsieur le ministre, notre cité fait valoir le rapprochement des cultures et des peuples comme gage de promotion des valeurs. Valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. En effet, la ville de Lambaréné possède une histoire très riche qui la relie éternellement aux hommes et aux femmes d'exception qui par leur courage et leur conviction ont marqué de manière indélébile leur passage sur terre, notamment la terre de Lambaréné. À cet égard, il est opportun et juste de le célébrer, à l'instar du cinquantenaire de la disparition du célèbre docteur Albert Chauser, commémoré il y a de cela quelques semaines encore. Nous sommes profondément heureux d'accueillir aujourd'hui la caravane du Grand Magal de Touba. C'est l'occasion pour nous de revisiter l'histoire et l'œuvre accomplie par l'illustre guide Cheikh Amadou Bamba, un homme éclairé qui par la discipline, la persévérance et la forte mobilisation de ses disciples avait ébranlé la machine colonialiste le conduisant ainsi à la déportation vers le Gabon le 5 septembre 1895. Il passa ainsi sept années au Gabon et séjournera trois années durant à Lambaréné. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui encore, votre séjour en terre lambarénéenne nous donne l'opportunité d'affermir ces liens d'amitié et de coopération. Aussi, permettez-moi de remercier et saluer chaleureusement l'initiative conjointe du corps diplomatique ici représenté, associé à l'Association pour les journées culturelles Cheikh Amadou Bamba, qui nous offre ici la possibilité de revisiter et d'enrichir notre patrimoine historique et culturel. Une fois de plus, cela témoigne de tout l'intérêt que, nous, que vous nous portez. Ces journées culturelles feront de nous des témoins et peut-être des disciples pour certains, car notre bonheur n'est fait que celui des autres. Maintenant, nos remerciements et félicitations vont également à l'endroit des organisateurs des activités liées au devoir de mémoire que nous impose le souvenir de l'œuvre accomplie par luis Sheikh Amadou Bamba. La, célébration du Grand Magal de Touba est un hommage à l'ensemble de la communauté mouride, Mais c'est également l'occasion de solliciter auprès des instances internationales ici présentes l'érection dans différents sites que nous avions pu visiter ce matin, des symboles matérialisant, matérialisant le passage de cet homme éclairé sur nos terres. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons à tous et à toutes un excellent séjour parmi nous, en espérant que vous apprécierez une fois encore Lambaréné, ville cosmopolite, carrefour des civilisations et des cultures, carrefour des idées. Vive la coopération, vive le Gabon, vive Lambaréné, ville internationale. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici présents, même ceux qui n'ont pas eu le temps de venir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre, conseiller du président de la République sénégalaise, Arona Koumbando Fendiouf, Monsieur le conseiller spécial chargé des affaires religieuses, Serge Mbaké Sako, Monsieur l'ambassadeur itinérant Abdou Samad Mbaké, Excellences les ministres, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Monsieur Serine Bassir Monsieur porte-parole du Khalif général des Mourites, Monsieur le commandant des corps constitués, Monsieur les chefs de service, Messieurs et Mesdames les chefs de quartier, Messieurs les représentants provinciaux du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation venue du Sénégal, Mesdames et Messieurs les talibés, distingués invités, au nom du Daïra Mourid de Lambaréné, et en, ma modeste qualité de secrétaire général de ce Daïra, j'ai le privilège de prendre la parole devant cette illustre assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'adresser nos vifs remerciements aux initiateurs de ces journées qui ont bien voulu porter leur choix sur le Gabon, notre seconde patrie, à ceux qui se sont investis depuis le Sénégal, à ceux qui se sont mobilisés à Libreville et dans tout le Gabon pour concrétiser ces journées. Aux autorités gabonaises qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de ces journées. Une mention particulière au conseil municipal de Lambaréné, aux talibés de Lambaréné et du Gabon, pour qui cette journée était un test grandeur nature, donc un défi pour eux. Ils ont aussi brillamment, avec l'aide d'Allah et l'entreprise du Sérigne Touba, relevé ce glorieux défi. Pour cela, je leur dédie un vibrant hommage. Je ne saurais terminer ces remerciements sans citer nos vaillantes sœurs et épouses qui, par leur disponibilité, leur ingéniosité et leur savoir-faire, ont concocté des mets exquis pour le bonheur de nos invités. Ensuite, sur un tout autre plan, le Daïra Mourid de Lambaréné sollicite vivement la contribution des autorités consulaires sénégalaises pour l'acquisition et la mise en valeur des sites visités tout de suite par la délégation. Car certains d'entre eux subissent dangereusement les lois dictées par la nature. L'érection d'une mosquée ou d'un centre culturel participerait de façon efficiente à la vulgarisation des enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba, qu'Allah Lagré. Enfin, je demande solennellement au porte-parole du calife général des Mourides de formuler des prières particulières à l'intention de tous ceux qui sont présents ici et de tous ceux qui, de près ou de loin, ont, ont participé à la réalisation de ces journées. Ces prières auront pour objet la promotion de toutes ces autorités qui sont ici présentes notamment celle gabonaise. La bonne marche et la réussite des affaires de tous les fidèles et de tous ceux qui sont présents ici. La guérison de tous les malades qui sont parmi nous. Des solutions à tous nos problèmes et la réalisation de tous nos souhaits. Et enfin, et surtout, la paix. Oui, la paix et la prospérité pour le Gabon et la sous-raison. Car sans cette paix, aucune promotion ne sera possible. Je terminerai en adressant ces prières à nos défunts talibés qui ont toujours œuvré pour le mouridisme, qui ont toujours soulevé le flambeau du mouridisme ici à Lambaréné. Je pense à Abdoulaye Faye, je pense à Sidi Diop, qui ont toujours travaillé pour Serin Touba. Touba. Je vous remercie. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم تسليما Monsieur le maire de la ville de Lamberené, Monsieur le ministre Aron Koumando Fendiouf et la délégation qui vous accompagne, Mesdames, Messieurs les autorités de la ville et de la province, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, messieurs les autorités religieuses de la République du Gabon, mesdames, messieurs les invités, chers frères talibés, permettez-moi à l'entame de mon propos au nom de Serigne Bassir Mbaké Abdou le chef de la délégation et toute la délégation qui l'accompagne, de remercier chaleureusement Monsieur le maire et tous ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux et tout africain qu'il a réservé à la délégation venue de Touba et du Sénégal en général. Sérine Bassirou remercie aussi l'imam et tous les talibés et toute la population de l'ambéréné et du Gabon pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Comme vous le savez, la délégation devant retourner sur Libreville, on est au regret de ne pouvoir dérouler toute la conférence à cause du manque de temps, mais le conférencier s'efforcera de la résumer pour permettre à l'assistance de bien cerner notre thème d'aujourd'hui. Je m'en vais maintenant présenter brièvement le conférencier. Céline Sambousso est un inspecteur de l'enseignement au Sénégal. Il est membre de la commission scientifique du comité d'organisation du Magal et membre aussi de Raoudrayahen. C'est lui qui va traiter du thème de l'universalité du message de Cheikh Ahmedou Bamba. Il va nous montrer que l'œuvre du Cheikh comporte des enseignements qui indiquent que tout son message est universel. Je voudrais juste, en guise d'introduction, parler du message de paix de Cheikh Ahmadou Bamba, son utilisation de la non-violence et son sens élevé du pardon. Aujourd'hui, on vous dira que les pères de la non-violence sont Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Pourtant, plusieurs décennies avant ces grandes figures mondiales, Cheikh Ahmadou Bamba a utilisé la non-violence comme méthode de lutte contre l'oppression coloniale. Contrairement à toutes les pratiques de son époque, il a préféré la djihad par la science et la crainte révérentielle en Dieu à la place de la djihad par les armes. De ce point de vue, sa méthode peut être considérée comme révolutionnaire. Et ce choix n'est pas un choix dicté par la peur ou la faiblesse des moyens. D'ailleurs, un administrateur colonial dira dans un rapport, je le cite, les saints et les prophètes qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher. Fin de citation. Mhm. Donc sa non-violence était plutôt par conviction et par une stratégie gagnante grâce à la volonté d'Allah. C'est la violence de la politique coloniale qui l'a amené sur cette terre du Gabon comme exilé et ce sont ses actions et sa réponse non violente qui nous amène ici aujourd'hui pour le célébrer et revisiter son enseignement. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sens du pardon du Cher, qui est sans égal dans l'histoire de l'humanité. Il a dit, j'ai pardonné à tous mes ennemis par la grâce de Dieu. Le monde et l'Afrique, plus particulièrement, vit aujourd'hui une violence sans fin par les guerres, les inégalités socio-économiques, le sous-développement. L'humanité a plus que besoin, plus que jamais besoin du message de paix de Charmou de Bamba, de son enseignement des valeurs universelles qu'il incarne. Thème ne pouvait donc être plus opportun que celui que va exposer Serigne Sambousso Abdrahman. Sans plus tarder, je passe la parole donc au conférencier pour nous parler du thème l'universalité du message de Charmou Bamba. les représentants des autorités de la République gabonaise, فضيلة الإمام شيخ آه، إسماعيل بإذن الله محمد البشير أرفع إلى سيادتكم آيات الشكر فقد أمرني الشيخ أن أوجه إليكم شكره وتقديره لما تقومون به من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين شكرا Chers frères croyants musulmans, chers condisciples mourides, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette semaine culturelle chez Ahmad Bamba ici au Gabon, pays qui occupe une place importante dans l'histoire de la voie soufie al-Mouridia. Notre exposé portera sur l'universalité du message de Cheikh Ahmed Bamba. Comme vous le constatez, il fait nuit je ne vais pas tout exposer, Inch'Allah. Je vais vous délivrer quelques points de, ce, de cet exposé. En effet, plus de 100 ans après le retour du fondateur de la Mauritanie, Cheikh Ahmadou Bamba, de son exil du Gabon, entre 1895 et 1902, son message de réforme reste aujourd'hui plus que jamais une alternative pour l'humanité. On n'a pas besoin ici de, décrire la situation qui règne dans ce monde en termes de crise spirituelle, morale, économique, sociale et en termes de conflits et de violence. Cette situation est vécue presque par tous les pays, par tous les peuples. Dans un tel contexte, le monde a besoin du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce message basé sur des valeurs universelles car puiser des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, l'originalité de, la, démarche du fondateur de la Tariq al muridia réside entre autres dans son approche éducative qui a prouvé son efficacité, sa pertinence dans le contexte de son émergence. Donc, après un bref rappel des objectifs et principes de la mission réformatrice de Cher, nous tenterons dans cet exposé de démontrer l'originalité et l'universalité de ses enseignements avant de conclure par le rôle des disciples mourides dans sa vulgarisation. Peut-être nous allons vous épargner ce rôle qu'on va discuter entre nous, Inch'Allah. La mission de Cheikh Bamba, ses objectifs Homme de Dieu, Cheikh Bamba était investi d'une mission divine. Celle-ci consistait à revivifier la religion musulmane et à réformer la société en y provoquant un changement radical qui touche les dimensions aussi religieuses que sociaux, conformément aux enseignements de l'islam. Il disait Dinum siwa islamihi la yuhmadu, inda ilahi wa Lil sunnatahul gharra wa inni ahmadu aucune religion excepté l'islam ne sera point agréée par Dieu et nous le revivifions. Nous avons l'intention, pour le compte du prophète, de revivifier sa tradition lumineuse. Conformément à ses déclarations, le cher incarnait dans sa conduite et ses démarches les principes universels de l'islam, basé ses actes sur ses sources. Il disait « Banaytu ta'ati بالذكر والحديث والإجماع الله ربي وهدى الإسلام ديني وأفضل الورى إمامي أئمتي في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي J'ai bâti mon obéissance à Dieu sur la conformité au Coran et à la Sunna et au consensus des ulémas. Mon maître est Dieu, ma religion l'islam et mon imam la, la, la meilleure des créatures. Mes imams en fiqh en jurisprudence islamique sont Imam Malik, l'éminent Imam Shafi'i, imam, imam, Abu Hanifa et Imam Ibn Ahmad. Dans un ouvrage, Bidayatul Suluk, c'est le début de l'engagement, il dit Billahi amantu wa wajhi uslimu abdan lahu wa Nabi akhdimu Billahi amantu wa bil Qur'ani wa bi rasulillahi bad'u C'est un Dieu que je crois et je me remets à lui en étant son adorateur et le serviteur du prophète. Mm. C'est en Dieu que je crois et c'est sur le Coran et la source du message de Dieu que je fonde mes actions. Tous les ouvrages du Cher destinés à l'enseignement, c'est l'aspect théorique de sa mission, Tourne-nous autour de ces, mêmes principes islamiques, al-iman, al-islam, al-ihsan, la foi en Dieu, l'adoration et le perfectionnement. C'est pourquoi le terme mourit selon certains chercheurs, le terme mourit et mouridisme dépasse largement l'acception courante désignant les disciples de Cheikh Ahmed Bamba. En répondant à un questionnaire que lui avait adressé le gouverneur général des colonies françaises, le Cheikh avait, avait fait comprendre que sa voix n'était qu'un appel islamique ouvert à tous les aspirants et conforme à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle repose sur trois principes, la foi sincère, l'adoration exclusive de Dieu et le perfectionnement des bonnes qualités, iman, islam, ihsan. Ainsi sont mouris tous les bons croyants et fervents pratiquants, où qu'ils se trouvent dans le monde. L'originalité et le mérite du cher résident dans sa méthode de réforme extraordinaire par laquelle il a réussi à réconcilier le temporel et le spirituel tel qu'était l'islam à son origine. quelle est cette approche Dans un contexte marqué par l'ignorance, l'instabilité et la décadence, le cher visé des cibles prioritaires, la formation des croyants qui puissent compter sur eux-mêmes pour leurs besoins, jouissant de bonne moralité, loin des dérives, des bidas, comme disait Cheikh Baou qui est là avec nous dans son ouvrage Le djihad de l'âme. Les principales innovations qu'apportait son système était l'accent mis sur l'éducation spirituelle et la volonté de promouvoir et de mettre en œuvre une pédagogie qui puisse lui assurer l'expansion d'une telle forme d'éducation. Il a insisté dans son enseignement sur des éléments essentiels constituant la base de sa voie al-ilm, al-ibada, nafs, al-amal, al-khidma, c'est-à-dire le savoir, l'adoration de Dieu et purification de l'âme et le travail et le service. Al-ilm, le chef déclara avoir reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre de dépenser son enseignement à ses disciples et à tous ceux qui le désirent. Il disait alayhi fil ali wa wa walahu al minhu nusha min En fait, la quête du savoir constitue l'une des obligations fondamentales du disciple mouride. Le cher dit dans son célèbre poème ils m'ont dit rien ne me satisfait à part la science et la religion. Il a composé plusieurs ouvrages sur les, sciences religieuses et a exhorté ses disciples à les apprendre. Dans Masalikul dinan il nous enseigne que la science et l'action constituent les deux moyens pour atteindre le bonheur éternel. Deuxième principe, c'est al c'est les pratiques cultuelles ou l'adoration vouée à Dieu cette adoration euh, vouée à Dieu doit être, selon Cheikh Ahmed l'occupation du disciple d'une façon permanente. Le temps est un facteur important que l'adepte doit exploiter par de bonnes œuvres afin d'acquérir la grâce de Tout-Puissant. Il dit dans Mosaïkul Jinan, Wa'alam, bi anna waqta min az, ihi fa ashqilanhu bil az. أما البطالة وتضييع العمر بغير ما يعني فداؤه يضر Sachez que le temps est parmi les plus précieux de tout ce que l'homme possède. Utilisez-le pour celui qui est le plus noble. C'est pour l'adoration. Quant à l'oisiveté et la perte de temps, elle constitue une maladie fatale. Le premier disciples ayant reçu ayant reçu l'éducation de chair ont parfaitement illustré cette assiduité et cette ardeur aux pratiques culturelles. Quand je nomme Mamour Diara, quand je nomme Seigneur Dame Abdourahmane quand je nomme euh, Daroua Ndiaye, Serigne Baké Bousso, euh, les, Mourides connaissent ces grandes figures et qui ont consacré leur vie à adorer le Tout-Puissant. Quant à la tasbiyatun nafs, c'est la purification de l'âme. Ahmed Bamba constatant que les méthodes d'enseignement pratiquées jusqu'alors négligeaient cet aspect et n'avaient pas donné les résultats escomptés, il introduit une nouvelle, méthode plus efficace. Celle-ci est basée sur l'éducation spirituelle qui vise à perfectionner et à purifier les âmes sous contrôle d'un guide spirituel dont les compétences sont avérées. C'est la seule éducation qui puisse produire le type d'homme que Cheikh Ahmadou Bamba décrit dans Massalikul Jinan en ces termes. والحاسل الصوفي عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مصويا دينار عين بالمدر كالأرض يرمى فوقها كل قبيح ولا تري من بطنها إلا مليح وكالسحاب وكقطر الماء في الظل والسقي بلا استثناء Le soufi doit être un savant et fervent pratiquant, obsédé par la méditation et seulement, pour se donner entièrement à Dieu. Ainsi, il devient comme la terre sur laquelle on jette toutes sortes d'immondices, mais qui ne recèle en son sein que beauté, comme les nuages qui donnent leur ombre et pluie sans discrimination. Quatrièmement, Al-Amal, c'est Cheikh Ahmadou Bamba considère le travail comme une obligation religieuse pour chaque musulman, car on ne peut pas satisfaire ses besoins de façon légale sans exercer un travail productif il disait la quête du licite est un devoir pour tout musulman le cheikh recommande à ses disciples de ne jamais consommer euh, que du licite s'ils veulent obtenir l'agrément de Dieu par leur adoration il dit prenez le licite et abandonnez l'illicite Cherchez à satisfaire vos besoins par la piété. Le cinquième principe et le, dernier que je, que, que c'est Al-Khidma. Ce concept comprend toute activité ou service rendu par, par le disciple au profit de la communauté des croyants en vue d'obtenir la grâce de Dieu. Le cher en a fait, a fait euh, de, de, du, l'un des piliers du mouridisme. Al-Khidma constitue en fait une forme de jihad fi sabilillah. Ce jihad qui est prescrit par le Coran et dont la récompense est le paradis. Inna min anfusahum wa bi Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange de paradis. Cette notion de khidma occupe une place importante dans l'œuvre du cher الذكر dans مسالك الجنان وقيل إن حضر يوم الباري وضرب الصراط فوق النار وكا بدل الورى الجوى والغمة نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين Lors du jugement dernier, au moment où les gens baignent dans la plus grande angoisse, les serviteurs 1, Ahlul Khidma, sont conviés tous à entrer dans le paradis. Ces principes, à savoir la science, les pratiques culturelles, la purification de l'âme, le rythme, le travail, sont en réalité des conditions nécessaires pour que les individus et les sociétés puissent jouir d'une paix intérieure et d'une vie saine et harmonieuse. Ces deux derniers éléments fondamentaux, Al-Amal, Al-Khidma, constituent sans doute des bases idéologiques sur lesquelles nos pays sous-développés devrait pouvoir s'appuyer pour un développement endogène. En effet, l'action basée sur un savoir authentique, comme préconisé dans les enseignements de chair, purifie les cœurs et transforme les socles de la vie temporelle, à savoir la science et le travail, en ressort d'une élévation spirituelle. C'est pourquoi le chair a dressé son appel à l'humanité tout entière. Donc, peut-être je vais, je vais terminer par ce dernier point. Le cher, en fait, a adressé tout, son appel à toute l'humanité. Parce que les valeurs qu'il incarnait et enseignait à ses disciples sont des valeurs islamiques universelles. Elles sont en, effet à même d'apporter des solutions aux problèmes profonds de ce monde contemporain en manque de valeurs et de repères. La foi sincère à Dieu, la droiture, l'esprit de tolérance et la paix, le respect de l'être humain, quelle que soit sa race et sa couleur, sont des fondamentaux dans les enseignements de chair. Toute sa vie est consacrée et est une illustration de ses valeurs, étant donné que l'humanité tout entière peut tirer profit de son message. Son appel a été adressé à l'ensemble des nations de la terre. Il dit dans son poème euh, Mawahibun nafi'a »« lakin unadi kullal biladi ila imadi ya ahla barri ya ahla bahri je lance un appel à toute contrée pour qu'elle vienne vers mon soutien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux les gens de la terre, aux les gens de la mer. Tournez vers le bienfaisant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'océan de, la générosité. Même il adressait son message à les geôliers, il leur interpellait en disant, en disant « Ya ayyuhal yahoud wa nasara, kunu li khayri mursalin ansara » Toubou ilal ilahi wadlubul huda minu ta'ala bittiba'i Ahmada. Oh les chrétiens, soyez alliés du meilleur des messagers. Repentez-vous à Dieu et cherchez la guidance auprès de lui en suivant Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il priait Dieu pour que l'humanité toute entière puisse bénéficier de ses bienfaits et s'allie à lui. Il dit en ces termes Li urid wanfa'i bi ya an mitfa'i donc je vais conclure en disant que je vais conclure en disant que entre les tendances sauvages de cette économie de marché ce matérialisme écrasant et certaines interprétations et pratiques extrémistes ou tronquées de l'islam le message du fondateur du mouridisme constitue une alternative à expérimenter, en particulier par les peuples cherchant le chemin de leur développement entre leurs valeurs traditionnelles et la modernité occidentale. Ce message est enfin une source intarissable pour tous les aspirants assoiffés de spiritualité, pour l'équilibre de leur âme. Cheikh Ahmadou Bamba anhu, a pu reconcilier le spirituel et le temporel dans un même mouvement dynamique ascendant vers la félicité des deux mondes, ici et l'au-delà, chant de Certes, beaucoup d'efforts ont été faits pour vulgariser le message universel de Cheikh Bamba, y compris cette semaine culturelle et les activités similaires. Mais la communauté mouride devra encore, plus que par le passé, redoubler d'efforts par une meilleure stratégie, une meilleure utilisation des langues, des nouveaux, euh, euh, nouvelles, euh, nouveaux médias et technologies, afin de mieux partager ce message destiné à toute l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. feliz, oh.